Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le Ministre, Assalamu alaikum. Je crois que nous commençons notre législature par un élément qui est extrêmement important et je vise l'article 11 de notre règlement intérieur. Cet article 11 dit que pour des questions de procédure, on peut interrompre le débat lorsqu'il s'agit du vote du bureau de l'Assemblée nationale. La question de fond, nous avons et je l'explique. Dans l'énoncé de présent on a appelé le nom de Khalifa Abba Bakar Sall, de l'honorable député Khalifa Abba Bakar Sall. Il vous a adressé une lettre, lettre Bimoule Bindu Wahnani. Begunanyo, Febarul, Patul, Daramankeoko, Ludul Liga Khameni, Moyew Bunyuko Yew en violation flagrante que Liga Khameni. C'est une question de procédure. C'est une question de procédure. Si vous donnez le temps, On ne débat pas, absolument pas. Je fais cas du règlement intérieur et je pose il faut que nous moytu ni la population article 11 de wax lu leer ci alinéa 1 on aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau sauf s'il porte sur des questions de procédure relatives à l'élection en cours toujours l'article 11, il peut être demandé une suspension de séance. Le président de l'Assemblée nationale peut autoriser, aujourd'hui c'est le président de séance, des explications de vote après l'installation du bureau définitif, cela ne nous concerne pas. Ceci pour dire, Monsieur le Président, amul Ben million question de procédure dans jël opinion bi à témoin di wax ne question de procédure boo koy wax da wax article mais si politique politicienne une je vous remercie